Assalamu alaikum, Dylan le deuxième jour de la semaine aujourd'hui on est le 22 août joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour it's myself Bint Lover Dylan The Morning King comme on a l'habitude de le faire tous les jours il est 8h05 minutes Fiji King FM Dylan leen wax Jam. King FM 9h08 minutes ñu ngi fi ci studio Almadi di leen wax ne ka dal leen ak jàmm maa ngi nuyu képp koo xam ne ne yaa ngi connecté wu fii ci site bi Facebook bi à savoir Cheikh Tidiane Leye Dedoy Dia Modou Mbaye Assane Assane Daw Hassan Assandao encore né de Bonjour la famille King FM euh, Napi Aman je pense bien que ku bees la di la wax dalal ak jàmm l'inconditionnel Ousmane Diouf Lena at Ezo Thiam le londonien Ezo Thiam bëgg xam fan nga nekkoon temps euh di wax que vous pouvez nous suivre sur notre site www.kingfm gfm.sn sur notre application GFM et vous sur notre Facebook facebook.com slash kingfmmsn. Nous suivre aussi sur Instagram KingFM Sénégal. Nous suivre sur Twitter hashtag KingFMSN mais aussi nous suivre sur Snapchat KingFM Sénégal. képp koo tamit bëgg nga ñu 88 628 99 90 international plus 221 33 841 22 90 am euh, musique bi ñu koy wax Chidima ak Davido if instant bi ñu ngi ak touché collé di jàll léegi léegi ci rubrique météo. météo. tey nag euh, météo du 22 août euh, lan la temps bi joxe j'espère qu'il va pas pleuvoir. J'espère que Dumawach wax euh, ne dafa mais on aura pour la matinale 30 degrés avec des précipitations de 80 l'humidité sera à 78 78 pour des vents légers de 24 km h aujourd'hui 22 août il y aura un temps très ensoleillé pour la matinée comme pour le soir alors que yaa bureau nga sol léger dañuy sol veste mais c'est normal buñ démé sen bureau yi c'est climatisé ça aussi c'est recommandé mais à chaque fois di len wax ne que comme que légui ni tangay bi ñu ngi ci da fay taw dé len euh, fagaru di yóbbaale lépp lo xamné ne que parapluie wala tout ce qui peut te protéger de la pluie c'était la météo de ce 22 août. touché coulé at pourquoi tu dap dañuy jall légui ci ben rubrique people bu ndaw rek qui a fait quoi à qui comment où on va papoter. Les Minute People dans The Morning King. On va parler de Justin Bieber. Oh depuis que Justin Bieber a décidé de se rapprocher de Dieu Justin Bieber bëgg ay bêtises bëgg rapprocher de Dieu il fréquente assidûment l'église de Wilson Church euh, et la première bonne résolution qu'il a décidé de prendre ne fait pas que des erreurs bien décidé à se débarrasser de ses mauvaises fréquentations Justin Bieber a décidé de prendre ses distances avec le boxeur Floyd adepte entre autres des sorties de clubs de striptease par exemple en 2013 par exemple le jeune homme avait accompagné son ami dans un établissement du Texas. Justin Bieber était alors âgé de 19 ans seulement et se serait permis au passage d'outrepasser les règles en touchant les fesses d'une danseuse. Bref, ce petit vent de mai, Justin Bieber à Flood a rendu ce dernier fou et nucléaire car il estime avoir toujours été là pour Bieber, même dans ses pires moments. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est très simple et exactement le fait que Floyd est sous pression à une semaine seulement de son combat avec et que Justin Bieber soutient ouvertement son rival. Je ne sais pas. Lolim mais bon, Floyd dans un ci moment boo xam ne boxer à une semaine je pense bien que mais j'ai pas compris si Justin Bieber et toi vous êtes des amis pourquoi tu vas soutenir son rival c'est ce que je ne comprends pas les internautes essayent de m'aider un peu parce que moi je ne comprends pas Justin Bieber si c'est des amis entre guillemets parce que je ne connais pas leur relation Demna États-Unis mais j'ai pas vu Justin Bieber and Floyd c'était la petite minute people mais aussi Mito de Bintou Ténor, le bouton dérangé, le bouton dérangé. Euh, Régis, dans la sauce. afro 2017 avec les filles au Mozambique dans la sauce, Guinée dans la sauce. Ce qu'on va faire, c'est que le bouton dérangé, on va déranger tout le monde là-bas au Mali. Hein. À 8h25 minutes, Fiti King FM, Dylan Warneka de le Légui Légui, tu rubrique Santé Bien-être. Les petites minutes santé. Le parfum des fêtes évoque de merveilleux souvenirs pour certains, mais pour d'autres des migraines, des démangeaisons ou difficultés respiratoires. Certaines personnes de plus en plus nombreuses sont plus sensibles aux parfums et leur vie s'en trouve toute chamboulée. Des produits naturels peuvent aider, mais attention, les allergies ou sensibilités aux parfum font partie de ce que l'on appelle les hypersensibilités environnementales, ou HE. Celles-ci peuvent survenir à la suite à une exposition massive ou chronique à un produit toxique comme les solvants, des pesticides ou des moisissures. Les personnes affectées réagissent à des substances présentes dans l'environnement qui sont tout à fait supportables pour le commun des mortels. Une HE peut être déclenchée par toutes sortes de substances de la vie courante. La peinture, la fumée de cigarettes, les animaux, les moisissures, les produits dérivés du pétrole et même les radiations électromagnétiques. À 8h27 minutes, c'était la rubrique Santé et bien-être de Bintou It Myself. Dylan wax ne que Fatim O sera absente mais comme je l'ai expliqué ci magnéto bi rek dañuy expliquer euh, allergie am allergie alimentaire amna allergie aux poussières ça dépend mais allergie aux parfums c'est amna. Amna am na ñoo ne que mënuñu supporter les parfum Si buñ ko fait, ci que yaram rek automatiquement da remarque remarquer dañuy am des boutons parce que parfum parfums, nga xam que utiliser que ce soit des odorants ou parfum de même les parfums de chambre à chaque fois des eh, éléments qui que des éléments toxiques éléments toxiques ça dépend du degré bi euh, peut-être que mën na à 5 millilitres par exemple ci combinaison ci composition bi nga xam ne que bind nañ ko ci notice bi il est conseillé à chaque personne bo xam ne que soit yaa ngi doog a jënd parfum wala nga sétlu nek que parfum bi da lay allergie rek c'est à éviter parce que à chaque fois da ngay gis allergie bi ni mi génnee ci yaram bi wala mu génn ci sa partie ben corps c'est incontrôlable day jikki sa rek que ce soit ay boutons wala mu nek ay rougeur wala mu nek ay traces yo xam que c'est inconnu c'est des corps étrangers yo xam que ça sort du corps. Euh, euh, le conseil qu'on donne à chaque fois moi, que avez un parfum wala qu'importe l'anglais ngay il est conseillé nga la notice bi lire bu composition des fois tu vois des parfums yoo xam que c'est date de péremption bi jot na nit pour ne pas avoir de problème il est conseillé à chaque fois d'utiliser de lire et d'utiliser des parfums yoo ça ne te donne pas d'allergie ou de la il yenn problème ça aura des conséquences sur sa santé mu la rubrique santé bien-être d'aujourd'hui à allergique allergie au parfum parce que des fois on voit des gens qui ils sont allergiques au parfum je... je suis Calais King FM. King Family et Calais King FM à 8h35 minutes. y a une ci The Morning at The Morning King at Bintou Love wax sur notre application 3 www.kingfm.sn sur notre application GFM et vous sur notre Facebook facebook.com slash kingfmsn sur Instagram King Sénégal sur Twitter, hashtag KingFMSN, mais aussi sur Snapchat KingFM Sénégal. Il y a la possibilité aussi de nous appeler au 88 628 99 90 ou au 33 841 22 90. Je m'en vais faire un petit coucou à Hassan Hassan Dao, la première radio digitale du Sénégal, Forum musique. C'est vrai que c'est Forum musique. Ouais, mais je vais régler ça tout de suite. Quand le chat n'est pas là, les solides Dédoy rebonjour Hassan Hassan ñoom daal da ngeen nekk seen ah c'est vrai que euh, tey Dama damaa Fatim O elle est absente Nafisa nous manque aussi Napping Hamang le Cameroun au Sénégal tenor et Mami et Mani Bella tu mets le son si au Faro Faro c'est la patte Daouda loolu benn mission pour xam ne euh, Napping Hamang la Napping Daouda mooy def programmation musicale bi su ko tegul rek bu la neexee nga yàq deram ci Facebook bi Lena Gassama Ezou cham le londonien di leen wax ne que yéen ñëpp ça fait très plaisir de vous voir et de vous entendre ngeen di nekk entre vous di waxtaan mais aussi di participer ci lépp loo xam ne ne que mooy rubrique King FM mais the morning king euh, dama leen di raconter benn histoire nag le gars là est Léo c'est vrai que le gars le gars là est Léo mais ma benn xarit boo xam ne nekk damay jël ay turu jàmbur nag Cheikh Cheikh Faye laay jël équipe digitale di leen remercier si si seen liggéey bu rafet bi ngeen fi nekkee Cheikh Faye moo bëggoon jël benn xale bu jigéen sama koñ xam naa mu woote ñoom ñaar xoolal fixé lépp ba bintu nangu ba bintu nangu ñu war a gisee Cheikh Faye daal ñëw sama koñ woo ma ne ma mais bintu xamoo ku tudd fii bintu ma ne ko non man xaw ma ko def franchement mu ne ma mënul nekk parce que yow ci koñ bi nga dëkk et tout ça là naka nga mën a bañee xamee bintu ma ne ko non ma ne ko man fii laa dëkk mais sincèrement man fii xaw ma fi ñu fi bëri mu ne ma d'accord mu gaare otoom xola àbb benn kaat kaatam ci benn copain yorul lekkul ma naanul maa ko xam ñooy ñooy ànd xolam mu ma génn ak sama sur bu bon boo xam ne ne que maa ngi génn à 23h la ma ne ko yee nga ma sonal nga ma et tout mu ne ma. dafa war rek xaar dafa am benn xale bu jigéen bu ma commencé fréquent yi dama ko bëgg a jël et tout ça yóbbu ko resto dóor ko patati patata mais dafa tombel ci moment boo xam ne ne que la fille dafa xawoon am yaram tuuti c'est une fille très belle bintu dafa rafet mais temps yooyu dafa xawoon am yaram rek xale bu jigéen bi di ñëw rek ma seen ko ma ne ko ah kii ngay wax ma ne ko noo kii xam naa ko xola non Cheikh Faye non les hommes vous êtes grave mais boo gisee ni mu wengalee boppam ba xool rétroviseur ne ma hmm, c'est ça là c'est ça la go là oh ça ça là ça va pas entrer dans ma voiture hein Monoko, eh, eh monoko na mais pour te dire que ñom Daouda at ñom Cheikh fay dañu dañu dañu efficace dañu xam ni ñuy def xola gel bi ñëw nuyu ça va ça va bien merci ñu waxta et tout ça mu daal di ko nuyu Cheikh fay tu vas bien mu ça va ça va bien Cheikh fay xam ngeen lu ko def daf ko ne euh, attends-moi une minute le temps que je je tourne euh, le rond-point, le temps de <laughs> le temps de venir te récupérer, tout ça. Après, on va aller au resto. mané ko doom day lan ngay def mu ma gis nga bu ma jëlee tangente bi tout droit dootoo ma gisati mu ma xola problème bi je te la laisse ici xale bu jigéen bi depuis lors su ma rombee daf may damal xeef di ma fasal kanam je sais que je ne suis xola comprendre ma xola mu woo ma ba pare dem de dem woo ma ne ma ma fille mu ne ma tu gères c'est toi mu ne ma sala elle elle est vraiment laide. À 9h39 minutes, Chiking King FM. Oh, oh, my love, my love, oh, my love, my love, my love, my love, sama bob. Noboma kenen, ken noboma. Bon, dama vais vous expliquer pourquoi j'utilise Cheikh Faye à Daouda. xam nga Cheikh Faye à Daouda Cheikh Faye moo nekk ci digital bi mooy dugal lépp loo que et tout ça là Cheikh on travaille ensemble Daouda gère la programmation et la technique bi. ñoom ñaar on travaille ensemble su ma tuddee seen tur duñ ma def dara fii laa tudd Kumba la Seck jox ko not ci mot euh, Nafisa bi 4 ma dem sama messenger fekk fa ay demande d'explication pour ne pas que d'autrui vienne ma demander des explications j'utilise le nom de Cheikh Faye et de Daouda beneen gujaa ku ma yab nga mag bu wax réalité nga naan ko sa lépp bi neex na torop te am na ci dëkk bi li may wax am na lii nii maa ko fekkee maa ko dund ba léegi xale bu jigéen bi suma rombee du ma nuyu sécurité pour moi dañuy dem papoter tuuti daal di xool pupal ki a fait quoi à qui comment où quand. les minute people dans the morning king. Euh, Tay people nag damay waxtaanee ki nga xam ne que Rihanna apparemment elle a versé 2 millions de dollars fi nga xam ne que euh, Sierra Leone comme ni nga tant et temps yi dañu nekk ci moment que avec beaucoup de morts euh, catastrophe naturelle bi nga xam ne que moo dal kaw je me dis que c'est une très bonne initiative de sa part d'autant plus qu'elle a les moyens ba pare ambassadeur si cause yi nga xam ne que par exemple comme les Dalois, Sierra Leone képp koo xam ne nekk euh, tu es artiste wala am nga ci niveau boo toll rek tu as les moyens nga jàppale leen waxuma africain yi de africain yi boo leen di jàppale jàppale leen seen pays africain yi américain yi nañ jàppale euh, waa Sierra Leone parce que xam nga mënoo nekk euh, fii nii Sierra Leone ba pare naan yaa ngi jàppale beneen dëkk alors que ton pays sécurité pour toi c'est pas émergent pays pauvre pays boo xam ne ne que lekku ñu naanu ñu famine ngay dem di yóbbu feneen xaalis bi Rihanna Akon Youssou venez donner l'argent besoin sécurité habite à 48 minutes à 8h53 minutes yéen a The Morning King avec It's Style, Style, so 90 point fort Coco Jean moo wax loolu di big up à toi mon frère et merci pour les messages d'encouragement Exides merci à toi aussi Pape Dialo merci à toi aussi Le lien de cette émission ngeen sur The Morning King c'est grave dañuy jàll tout ci ben, people bu ndaw avant le top de 9h la publicité est passée à la deuxième partie de The Morning King les Minutes People dans The Morning King. Alors que l'opus appelé Trône est déjà annoncé, Booba sortirait finalement deux albums. Le premier devrait être baptisé Noir, c'est Noir et sortirait en octobre et ainsi Trône serait plutôt le deuxième. Bien entendu, l'info reste à confirmer puisqu'étant qu'une rumeur dont la source serait toutefois un proche du rappeur de Boulogne, oui c'est Booba, it's myself, et à juger les clichés en noir et blanc de l'époque de Lunatic postés régulièrement sur Instagram avec le hashtag NCN, la rumeur en devient plus folle et plausible. Il a déjà fait en 2015, sortant tour à tour les albums de Duc Enero, Nemesis à juste quelques mois d'intervalle. Concernant l'ingéniosité de Booba et voulant toujours écraser la concurrence, cette thèse du double album pourrait bien être la surprise du chef pour cette fin d'année. stress suñu xol li nous ñun ñu stress muy muy képp stress parce que la vie est belle happiness in your life dañuy ci pensées de Nicole mu def c'est très important partager avec vous euh, les mamans leurs enfants le 21 août 2017 Élever seuls ses enfants n'est pas une tâche toujours facile. Il s'agit d'un véritable défi que toutes ces nombreuses femmes et c'est tant que bien de mal à relever. Qu'elles soient divorcées, veuves ou ayant eu un enfant hors mariage, les mamans solo font face à la dure réalité de la famille monoparentale. Mais plus encore, lorsque les hommes dont elles sont séparées ne contribuent pas toujours aux charges, c'est-à-dire la scolarité des enfants, les médicaments en cas de maladie, les pensions alimentaires. Si j'ai tenu à parler de leur cas, c'est parce que je connais justement des femmes qui ont vécu ce genre de situation. Et je peux vous dire que cela n'a pas toujours été évident pour celles-ci. C'est encore plus difficile lorsqu'elles se retrouvent avec plus d'un enfant à élever et à éduquer seules, sans aucun conjoint à leur côté et qui est loin d'être simple. À travers cet article, je voudrais tirer mon chapeau à toutes ces femmes qui se sont données corps et âme pour le bien-être de leurs enfants, car c'est ce qui les préoccupait avant tout et qu'importe les sacrifices qu'elles étaient prêtes à faire. Les mères solo peuvent parfois avoir le sentiment d'être pointées du doigt, en particulier dans certaines sociétés telles que celles africaines ou maghrébines. La mère célibataire, on, lui, on ne lui fait pas de cadeau. Si elle se flanche dans l'éducation de son enfant, elle se fera traiter de mauvaise mère, alors que justement, elle fait du mieux qu'elle peut. Elle doit parfois affronter le regard ou le jugement des autres, souvent aussi la pression dans son entourage. On lui dira ainsi qu'elle doit penser à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. D'autre part, la tâche la plus dure, c'est essayer au mieux de jouer à la fois le rôle de père et de mère, mais par-dessus tout, associer parfois à la fois la vie familiale et la vie professionnelle, surtout lorsqu'on a des enfants à très bas âge. Une autre difficulté à souligner, c'est le fait que les pères respectifs de ces derniers n'apportent pas toujours le soutien. Ne serais je que pour leur acheter un seul vêtement. J'ai vu des mères élevant seuls leurs enfants qui faisaient absolument tout, car elle savait qu'elle ne pouvait pas toujours compter sur l'homme dont elle était séparée. On m'a expliqué à maintes reprises que gérer l'éducation d'un enfant était encore plus difficile que celle d'une fille. Cela peut devenir un peu plus compliqué lorsqu'il devient adolescent. Son attitude peut être menacée, amenée à se métamorphoser. Et à ce moment, sa mère pourrait avoir du mal à imposer son autorité. J'aimerais parler aussi des femmes veuves qui parfois traversaient des moments très durs, mais qui malgré tout avaient réussi au mieux de continuer à élever seuls leurs enfants. Parmi celles de mon entourage qui ont vécu ce cas précis, je peux vous dire à quel point j'en suis fière et par leurs valeurs et par les valeurs qu'elles ont inculquées à leurs enfants, telles que le respect, l'honnêteté, l'ambition. Il y a également ces femmes qui ont eu des enfants en dehors des liens du mariage, qui se sont retrouvés sans partenaire parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu le reconnaître leur grossesse, alors qu'elles étaient encore enceintes en ayant le toupet de leur demander d'avorter ou parce qu'il avait décidé de rompre avec elles en leur laissant la charge de s'occuper seuls de leurs enfants. Pour moi, refuser de reconnaître un enfant qui est aussi le sien, c'est ne pas vouloir assumer sa responsabilité de père. Les mères solo ont tendance à culpabiliser dans le fond On se demande parfois qu'est-ce qui n'avait pas marché dans leur relation antérieure avec le père de leurs enfants Avait-elle eu un comportement dérangeant Refaire leur vie avec un autre peut aussi s'avérer parfois être une tâche délicate, car certains hommes n'acceptent pas forcément de faire leur vie avec une femme ayant déjà des enfants un enfant. Ce qui donne le courage à toutes ces femmes de mener au mieux leur vie de famille monoparentale, de se sentir mieux lorsqu'elles traversent souvent un passage une passe difficile, c'est justement leurs enfants, ces enfants qui leur apportent le sourire, comblent leur vie, leur donnent le courage de ne pas baisser les bras, d'aller de l'avant malgré les coups durs de la vie tout ce qui leur tient à cœur demeure leur réussite et leur bonheur. Je ne peux qu'avoir la profonde admiration et du respect envers elles, qu'elles n'oublient jamais qu'elles sont des femmes fortes dont la bravoure est comparable à celle d'un soldat. 9 h minutes ñu ngi and euh, Loving You moy new single je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau single pour ma part man je trouve que c'est bof bof pour le moment mais comme on a l'habitude de le dire rek woy je koy je ça te donne rien du tout mais au fil des temps euh, à chaque fois nga koy dina la jox dara rappeur tamit mu génnee benn single bu wax ne que c'est de très beaux clips macha allah ñu ngi gis ne que artistes yi ñu ngi évoluer bu baax yoo xam ne ne que ñu ngi moderniser pour exporter li nga xam ne ne que mooy seen son yi mais dama bëgg ta tuuti tamit ñu waxtaan à 9 heures 6 minutes fii ci King FM parce que euh, démb ba léegi ñu ngi seetlu ci site internet yëpp wala ci Facebook bi ak lépp loo xam ne ne que ces réseaux sociaux ñu ngi gis euh, ñi nga xam ne ne que dañuy ànd ak Diop Fall mu nekk comédien bi euh, ñu ngi euh, ay pour participer France pour je me dis que c'est très dommage parce que l'art doit nourrir son homme parce que Diop Fall il fait partie des comédiens qui xam sénégalais et il le fait très bien métier mais d'une manière euh, mi ngi déstressé nit yi ba il le fait avec professionnalisme donc je me dis que c'est malheureux ñu toll ci moment bo xamné ne que à chaque fois ñu koy gis ci ay série wala di ko giss ci ay euh, sketch à chaque fois kon ça veut dire que production bi mi ngi dox publicité yi mi ngi dox pourquoi pas ñi nga xamné ne ne que mooy comédiens yi wala artistes yi duñu mëna buñu amé problème ñu jël sen xaalisu bop daal di dem faju wala ñu topoto sen wér gu ñaram ñom ci sen propre xaalis c'est une question bo xamné ne que je me la pose parce que ñu toll ci moment yo je me dis que production chère, sketch chère, diffusion chère, télé extrêmement cher boy jàllale si ay série ci série di nga gis wala si sketch yi dina am 17 publicités da ngay dem sax ba da ngay faté ne ya yaa ngi seetaan euh, sketch wala film donc pourquoi à chaque fois après ñuy sétlu ñi nga xamné ne ne que ñooy acteurs yi suñu feebaree ñu am problème ba ñuy dugg ci site internet yi di woté ana ministère de la culture ana ñi nga xamné ne ne que ñoo leen wara fay seeni cachet c'est des questions yo xamné ne que dañ koy laccé parce que on n'a pas de réponse yo xamné ne que c'est concrète job un instant ni nii na bu baakha C'est wax ci information yu wax euh, insuffisance rénale pour évacuer euh, immédiatement euh, France je me dis que mbok artiste mi wala képp ko ne ne tok job Fall daal di la retane lo rek war nga ci def contribution parce que c'est une personne bo xam ne que il fait partie des comédiens yo xam ne il fait partie des meilleurs comédiens yo xam ne que ñu ngi ñuy déstressé ñu ngi ñuy wàccal coono mais paré ñu ngi ñuy reetaan loo maa ngi def ben kooku ki nga xam ne que Silla Binet Goudiaby Tons Merengue euh, ñom ñep ñu ngi ci King Family bi di len wax ne que ngeen ñu suivre si www.kingfm.sn, sur notre application GFM vous sur notre page facebook.com slash kingfmsn, sur Instagram KingFM Sénégal, sur notre Twitter hashtag KingFMSN, mais aussi sur notre Snapchat KingFM C'est malheureux. dès Dia revenir si ki les pensées de Nicole et li si l'enfant devient quelqu'un là le papa se présente réclamant ses droits c'est trop facile ouais non maman mënuñu leen fay loolu c'est vrai dañuy remercier les pensées de Nicole Nicole mi nga xam ne ne que ñëwoon na fi si plateau bi elle a tout à fait raison parce que ñi nga xam ne que c'est des mères célibataires ñu ngi yar seen doom ñoom kese te kenn du leen ci jàppale ku ko dundul rek am nga sa mbokk bu ko dund wala sa dëkkandoo bu ko dund bu doom bi ba ba ba li euh, wax euh, le papa se présente le papa ne se présente pas il pointe son nez day ñëw taxaw voilà c'est mon fils ou c'est ma fille de réclamer ay droits alors que moment bi nga xam ne ne yaay ji moo ko doon yar kenn jàppalewu ci leen du dëkkandoo du papa du yaay du mag kenn indiwul sa contribution c'est très difficile au Sénégal parce que boo nekkee célibataire ñëpp mën nañ la may xaalis nit yi mën nañ la jàppale ci ay dox ànd ak leneen ak leneen mais boo demee ba am jëkkër wala nga nekk euh, mère célibataire rek dañuy ne waaw c'est une fii facile soit tu passes à la ta euh, ci casserole bi wala on laisse tomber mais ñëw jàppale la ngir yàlla tax wala ñu ne dañuy ñëw euh, bokk And yaral c'est chose impossible à chaque fois il faut que mu am ben arrière pensée ci bop nit di wax ne que euh, Sénégal nañu nañu changer comportement parce que euh, li nga xamné ne c'est que dal na les mères euh, célibataires wala les mères yi nga xamné ne que yar c'est des moments très très difficile té kenn du di setan à un même bu fi job Fall mara daytaali dara xewon ñu commencer ku ci nekk di bind ci Facebook bi wala di témoigner wala di dougal ay vidéo ça n'a pas de sens réveillons-nous et faisons le les choses le moment tant qu'il est temps

Marrakech, surnommée la ville rouge ou la ville ocre, est une ville située dans le centre du Maroc dans l'intérieur des terres, au pied des montagnes de l'Atlas. Le surnom de la ville rouge fait référence à la couleur rouge d'une grande partie de ses immeubles et de ses maisons. La ville a été fondée en 1071 par Youssef ibn Tafin, à la tête de l'empire berbère des Almoravides. Dans le passé, le Maroc était connu en Moyen-Orient sous le nom de Marrakech le nom Maroc provient lui-même de la déformation de la prononciation portugaise de Marrakech. Marocos, Marrakech compte aujourd'hui 928 850 habitants d'après le recensement récent de 2014. Répartie sur une superficie de 230 km, la densité de la population atteint les 350 habitants à l'hectare de la Médina. C'est la quatrième plus grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Taguère.

à 9h36 minutes fii King FM le matin The Morning King avec Bintou Love mu sur une découverte d'aujourd'hui sommes nekk Marrakech Nous ville boo xam nek, situé aussi centre au Maroc Marrakech comme niñ ko dit on l'appelle ville rouge parce que les loo xam cœur, euh, euh, couleur bu rouge la am euh, montagne yi nga xam Atlas mais aussi boo demee ca Marrakech y beaucoup de choses yo, xam nek, découvrir à savoir pouvoir ñaari parti parti ñaari parti moy mooy que dafa am ville bo xam ne que c'est moderne at ville bo xam ne que c'est ancienne ville ancienne bi mun nga découvrir les lo xam ne que c'est musée c'est euh, c'est des sites yo ne que c'est touristique mais ça garde l'auton hmm, l'authenticité c'est venu l'authenticité de la ville Marrakech mais amna benen parti partie c'est une nouvelle ville mon mo am lepp lo c'est des complexes c'est des boutiques de luxe c'est des banques des salons de thé des terrasses euh, Marrakech tamit am lo c'est très intéressant à savoir leur folklore local bo fa à savoir par rapport à sen ni solo par rapport ak sen tissu par rapport à sen environnement la culture c'est tellement local mais c'est tellement aussi original que je me dis que képp ko xam ne nekk euh, bëgg nga visiter mën nga dem doxantu ca Marrakech Marrakech nag ñoom euh, li nga xam ne nekk mooy seen économie mi ngi jugi essentiellement ci tourisme commerce artisanat donc tout est possible à Akhlou Brick ñun tamit c'est possible que nous jël avion daal di Marrakech. c'est possible à 9h40 minutes fi King FM c'est possible euh, King FM comme ni ko Pape Cheikh Diallo at ni ma des di togné 5 ba légui sous FM daal di changer parce que c'est des problèmes techniques ça arrive comme niñ koy à chaque fois c'est l'homme qui a créé la machine mais la machine des fois tamit fay am ay euh, sikki saka wala fay génnee ay caprices c'est possible mère yi nga xamné que ñi ngi élever tiisal seen ay doom ñu daal di yegg ci moment boo xam ne ne que dañu ne ku caraxu di nga koketu benn jour c'est possible parce que ba ma seetaanee parcours waa Akhlou Brick c'est des jeunes yoo xam ne ne que macha allah fi ñu débuté at fi ñu agsi léegi c'est possible c'est possible pour képp koo xam ne ne que rek tu crois à ce que tu fais c'est possible Nafisa toogaat fii dans deux mois c'est possible lépp c'est possible il faut juste y croire te di leen wax ne que yéen ñi nekk ci internet bi nii laay bambe su saaxo waa Bintu tey déggoo leen sax olof mënoo leen ko bind bu baax tey lëw rek yaa ngi nekk bu émission luy loolu yow rek yaa nekk ci émission bi nee na euh, maa ngi lay jël si nga ñibbi xam naa ni sonn nga laay bambe su saaxo instant bi sama yax yeeg sama deret yeeg sama yëppay metti ndax wax day metti wax dafa metti

ñuy daw di daw di daw di dox di dox bay waaj a yegg rek rek daaw di seen église bi rek daal di ne euh, apprenti bi apprenti apprenti apprenti mu ne ko ah, mu ne ko yegg naa du ma nit yegg naa du ma nit mais ma wàcc yegg naa du ma nit man ak keneen ak keneen ñun ñëpp daal di wàcc ci car rapide bi fekk daaw da dafa dotom dafa ko bëggoon wax yegg naa église Dominique mu ne ko apprenti mu ne ko ah, mu ne apprenti bi Cheikh Faye la woon mu ne ko apprenti Cheikh Faye mu ne ko mu ne ko yegg si naa Dominique yegg si naa du ma nit may ma ma wàcc ñëpp may ko mu wàcc daal di moom ci boppam mu daal di wàcce waale son bi nag maa koy may képp koo xam ne nag yaa ngi fii toog di xaar sa jëkkër wala di xaar sa euh, dox ànd ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew même pas bitim réew nekk fii ci biir Afrique ñu nekk ay femmes yoo xam ne très brave di toog di xaar di xaar des fois un an six mois trois ans ça dépend mais métti na torop heureusement que am ay WhatsApp Snap tout ça mais le toucher yooyu noonu moo dàq ñu ci rubrique Horoscope du jour. horoscope du jour. Pour ce mardi 22 euh, août, nous allons passer au bélier. Ne cherchez pas à tant maîtriser les cours des choses. Aujourd'hui, vous avez tendance à chercher, à sacher Ainsi, la part d'imprévu dont vous avez pourtant besoin pour apprécier pleinement les, joies de l'existence. Aujourd'hui, le soleil quitte le lion et entre vierge et vous. Pensez souhaiter un joyeux anniversaire à vos amis vierges. Taureau, vos états d'esprit vous attirent de la chance. C'est le moment pour nouer des contacts inédits. Vous serez plus sensible au froid. Ne vous y exposez pas trop. Vous aurez besoin davantage de mouvements musculaires. Des tensions se dissipent autour de vous. L'ambiance devient à l'harmonie. Ne restez pas seul surtout. Pour les Gémeaux, vous aurez des facilités à vous pencher sur vos propres intempéries sur vos pensée profonde, excusez-moi. Profitez-en pour en parler à vos proches. Vous serez à l'abri des gros accès de fatigue. Tant que vous ne donnez pas d'accélération trop brutale, misez sur la régularité. Cette journée est parfaite à l'éclosion de vos potentiels créatifs, à l'expression concrète de vos capacités. Cancer, vous êtes en train de durcir, de durcir le ton. Aujourd'hui, vous affirmez, vous serez très efficace. Pour cette journée, il vous est conseillé de rester calme, de penser positif, mais aussi de dépenser moins, car vous aurez des problèmes dans la journée. Lion, rien ne viendra ternir votre belle bonne humeur. Aujourd'hui, le ciel vous sourit et vous lui rendez bien. Vos doutes ne vous atteignent pas. Pour les relations amoureuses, des, gens, des changements surviennent dans votre ciel financier. Vous relancerez une discussion qui s'avérera féconde par la suite. Pour les vierges, vous trouverez des réponses à des questions essentielles pour votre avenir. Pour le moment, il est temps de repartir sur de bonnes bases avec votre entourage amical ou de remettre en question l'idée que vous cherchez. Aujourd'hui, le soleil quitte le lion et entre dans votre signe. Joyeux anniversaire aux vierges encore. Balance, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes en famille pesez vos mots. Attention à ce qu'il ne vous pas dire aujourd'hui. C'est l'anniversaire des Vierges. N'oubliez pas vos amis de ce signe. Les circonstances de votre côté et vous prouveront votre amitié qui sera très soudée aujourd'hui. Les questions relatives au foyer sont à l'ordre du jour. Les scorpions, vous alternez tant bien que mal entre les humeurs des uns et des autres. Restez calme et, et cultivez la paix. Vous êtes en forme, mais vous avez les yeux plus gros que le ventre. Attention aux excès de table. Un projet important est en train de voir le jour. Vous devriez compter avec le temps et votre projet prendra cours, mais aussi se réalisera. Pour les Sagittaires, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire tout haut le fond de vos pensées. Même si cela crée des étincelles, prenez garde à ne pas vous laisser envahir par les autres. Et leur cortège de soucis, réfléchissez avant de vous engager. Vous jouerez avec un grand soin, un grand plaisir le rôle d'intermédiaire. Votre performance sera réussie. Les Capricornes, vous aurez le temps de vous consacrer à un projet personnel. N'en parlez pas encore. Vous serez amené à remettre en question votre hygiène de vie au quotidien et à opérer des transformations qui seront très bénéfiques. Votre façon d'aimer va évoluer aujourd'hui vers davantage d'altruisme et de chaleur. Voilà de quoi enrichir vos relations positivement. Les versos avec Esocham, laissez-vous mener par votre audace, votre intuition. Elle ne vous trompera cela ne va pas vous tromper aujourd'hui. Une certaine fatigue vous met en vague, mais aussi les âmes au quotidien seront avec vous. Vous êtes tout disposé à pardonner, Passez l'éponge sur ce qui est devenu des, des bretouilles, faites-le sans regret. Nous allons finir avec les poissons. Laissez-vous faire votre entourage et vos petits soins avec vous. Chacun son tour. Les signes de fatigue que vous ressentez en fin de journée méritent toute votre attention. Isolez-vous et reposez-vous de ceux qui vous gênent. C'était l'horoscope de ce mardi 22 août 2017 à 9h51 musique 51 euh, 52 minutes ma xalaat top musique bi rek di wax rek daw dama ngi bu baax baax bon tey euh, comme que dañu dem découverte Maroc on va faire pareil on va daw da bu ma musique ce sera de ta faute à 52 minutes ok on va préparer des tagines au poulet et aux légumes léegi nak munu maka traduire en en français at en wolof français bi lay def ndax instant bii nii lay bambi si saaxo sécurité pour moi je suis fatigué di def benn euh, big dédicace à Awa Diop à Mokhtar Senghor jingle jëng jëng jëng jëng jëng jëng jëng jëng pour la préparation du tagine de poulet aux légumes il vous faut un poulet entier coupé en morceaux. Il vous faut des tasses de petits pois, des carottes en rondelles, des pommes de terre pelées et tranchées finement, des tomates coupées en dés, de l'ail, de l'eau, de l'oignon moyen coupé en petits morceaux, un cuillerée à café de curry, un cuillerée à soupe d'huile d'olive et un cuillerée à café de poudre de piment. Vous aurez aussi besoin d'une boîte de persil frais haché. Nous allons passer à la préparation. Pour la préparation du tagine de poulet, cette recette marocaine de tagine de poulet aux légumes est facile à faire et c'est une valeur sûre. Même si cela prend un peu de temps pour la préparer, tout ce qui se dégage quand vous animez le tagine à la table dans votre famille et les amis prennent du plaisir. Comme tous les plats mijotés, c'est encore mieux le deuxième jour c'est autre chose pour la préparation Placez les morceaux de poulet par-dessus et assaisonnez avec les épices. Saupoudrez avec le persil haché et versez un peu d'eau dessus. Après, vous allez couvrir et cuire à feu moyen pendant environ une heure. Vérifiez que la cuisson des poulets soit très tendre. Après cela, ajoutez les pommes de terre dans le tagine en formant un sec. Couvrir et poursuivre la cuisson pendant encore 20 minutes jusqu'à que les pommes de terre soient tendres. Ajoutez les petits pois et laissez cuire encore 5 minutes à découvert. Servir avec du couscous ou du riz. Cette recette de tagine peut être facilement adaptée pour être réalisée dans une mijotoire. Cuire jusqu'à ce que le poulet soit tendre tay nak mu nekkoon tajine de poulet aux légumes. ça fut dur, ça fut dur, ça fut dur, ce fut dur. Mais alhamdulillah, il est 10h. L'heure de vous dire au revoir. Mais avant tout, dina nuyu ki nga xam que mooy Moussa Koulibaly. Bintou Diouf maa ngi remercier si traduction en en en en en à distance bien, nga je ne nag moom nga ma Habib merci à vous Abidit Kirambey merci Dedoja, merci merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages Awa Diop euh, Anna Diop euh, Aïssatou Samb des messages d'encouragement di merci à vous c'était sympa d'être toute seule mais c'était très dur Je suis très maa de vous bëggoon wax que groupe asan cham la bëgg nekk parce que moyeur bu ndaw ya. bi bu neex bi rong tangi nong dang dang dang dang dang di la no cité bint lova à demain inshallah mes amours king fm